Voilà, merci beaucoup. Permettez-moi d'abord, avant tout, de féliciter le directeur général du COSAMA et l'ensemble également de son personnel, mais également tous les partenaires qui ont rendu cette, euh, comment dire, cette distinction euh, possible. Euh, je dis que c'est une étape importante, n'est-ce pas, dans le processus de développement du système de transport au Sénégal. Je pense que je ne veux pas revenir sur les certifications. Le directeur général vous les a présentées. Mais moi, mon intervention va s'axer essentiellement sur les ambitions de l'État du Sénégal de développer cet armement national et d'en faire un leader au niveau de la sous-région. Parce que comme vous l'avez vu, le Sénégal fait partie des piliers en matière de transport maritime avec la liaison Dakar-Gorée. Et ça s'est développé également à travers aujourd'hui la desserte Dakar-Ziguinchor. Et Kossama même va au-delà au niveau de la sous-région la compagnie est sollicitée un peu partout, que ce soit en Guinée-Bissau. Ces navires sont présentement au Ghana. Cela montre qu'il y a l'expertise. Et également, cette double certification encore montre, encore une fois, si besoin en est, euh, le mérite du COSAMA. Et l'ambition maintenant de l'État du Sénégal, à travers le développement du système des transports publics, dernièrement il y a eu les états généraux sur les transports publics, c'est de donner au volet maritime une place importante. Et on ne va pas réinventer la roue. Le COSAMA est là, il existe déjà et il est majoritairement détenu par des sociétés publiques, le Conseil sénégalais des chargeurs et le port autonome de Dakar. Donc l'État du Sénégal compte s'appuyer sur le COSAMA vraiment pour développer une compagnie maritime forte avec une flotte euh, importante qui va pouvoir faire le maillage de l'ensemble du territoire aussi bien au niveau maritime qu'au niveau fluvial maritime, mais également qui ambitionne de devenir un leader au niveau de la euh, région, au niveau de la sous-région. Donc vous comprenez alors l'importance de ce jour-là pour euh, le Kossama, mais également pour l'ensemble du Sénégal. Ok, donc di vous remercie, di vous remercie. di vous wax ne lii dafa nekk tey bis bu na bis bu la ci mais tamit bis bu la ci Sénégal ndax Sénégal dañ koo a xamante le euh, transport maritime manam transport yoo xam ci

ndax ambition état du Sénégal mooy ambition de son excellence monsieur le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak son premier ministre ak gouvernement bi yépp moy développer le système des transports publics au Sénégal mais système bobu dañu bëgg nak transport maritime am ci wàll bu baax a baax te wàll boobu nag fas yéene wuñ ko wuti feneen Cosama la ñu bëgg dolel jappalé ko euh, ngir mom tam mu mën cee jouer place am ba nga xamné tay di nga mëna joggé fu nekk ci Dakarou dem jaar ci littoral bi Dakar ba Casamance wala Dakar ba Saint-Louis te doo am ben problème en toute sécurité nga meuna voyager. di féliciter directeur général bi tamit ak tout son personnel ak partenaire am yépp ñi nga xam ne ñoo ko jàppale tey ba mu mën a am euh, distinction bi bi wane xarañte bi wane aussi euh, ne ñoom ñu ngi ci norme de sûreté et de sécurité yi. waaw kay di leen sant di leen gërëm jërëjëf.